ton qui m'a fait craquer, qui m'a fait découvrir les Express, euh, qui sont les invités de la matinale euh, de ah. King FM dans le Morning King. Bienvenue encore et bientôt on va se dire au revoir dans quelques minutes, mais il va falloir qu'on cuisine. Vous êtes allé en Italie, vous avez apprécié l'Italie, vous avez mangé des pastas et <laughs> vous me demandez de préparer peut-être des tagliatelles. Eh bien, je vous propose des tagliatelles au saumon. Est-ce que vous aimez le saumon aussi Ouais. Ouais, d'accord. Le saumon, c'est super bon. Vous avez la possibilité d'acheter du saumon frais dans les grandes surfaces ici au Sénégal. Ça existe. Alors, euh, ça n'a rien à voir. C'est différent du saumon fumé hein, qui est déjà cuit. Là, je vous propose des, tagliatelles, des pardon, au saumon frais. Alors, est-ce que vous êtes prêts Parce que vous allez faire la traduction. Je vais, je vais préparer en français et vous allez préparer en Wolof. Vous allez traduire en Wolof. Ça vous va Ouais. Ok, d'accord. Bon, ben, jingle. pour préparer des tagliatelles euh, au saumon frais. Pour faire tagliatelles avec euh, saumon frais. saumon frais, il vous faudra euh, acheter des tagliatelles. Alors les tagliatelles, vous pouvez les avoir dans les grandes surfaces ici au Sénégal. Hein. D'accord, moi, je vais vous supermarché, maquis Mhm. Il vous faut du saumon frais. Vous pouvez aller dans les supermarchés côté poissonnerie et demander du saumon frais. D'accord, moi dem petit supermarché supermarchés, ci rayon yi poissons frais ay et tout D'accord. Il vous faut de la crème fraîche. crème fraîche. Il vous faut du beurre. Du beurre. Il vous faut du poivre. Du poivre. Ah ah. <laughs> Il vous faut du sel. Ah, Et du parmesan râpé. Ça veut dire quoi Parmesan râpé. Ça veut dire quoi, parmesan râpé C'est euh, une sorte de fromage, en fait, le parmesan. Ah. Ouais. Parmigiani. Tu, vas. Parmigiani. Si. Ouais. Voilà. Alors, la préparation. Yeah, pour Togo, pour Dafarko, pour Wanbi. Cuire les pâtes à l'eau bouillante salée selon le temps indiqué sur le paquet. Donc, vous avez pâte ak ndox ak xorom. Mhm. ci temps biñ la ko wax quoi ci temps. indiqué sur le paquet. ci temps bi bind ci paquet bi so xolé ci paquet bi di nga gis ñu wax la ci ñoom ci waxtu yi ñaata waxtu nga ko wara baxal pour mu mën a nek a nekk mu mën a pendant ce temps faire fondre le beurre dans une casserole. ok nga jël beurre bi dugal ko ci ben bool pour mu rouille un peu. pour mu nek ndox. et ajouter la crème. yok ci crème bi. quand la crème est bien chaude y plonger les dés de saumon que vous avez préalablement découpés. Ils doivent cuire à la chaleur de la crème. Ils doivent cuire à la chaleur de la crème.

Quand ils sont cuits, ils doivent se détacher. Mm-hmm. Ajoutez le sel. le mm-hmm. poivre. Mm-hmm. La mouscade. J'aime bien ça. Ah, ah. <laughs> Hein. Alors, égouttez les pâtes et les disposer dans un grand plat rond nga jël ko nga segg ko dugal ko ci benn plat bu rond wala lu la neex loo xam ne daal mën na ko mën na ko denc daal et nappé de crème au saumon sotti ci crème au saumon bi c'est ça mhm. Mhm. servir avec du parmesan nga yàq ko fromage Un fromage Un fromage du parmesan tout doux. donc si vous allez dans les supermarchés encore une fois demandez si vous ne connaissez pas est-ce que je pourrais avoir du parmesan il y a des gens qui vont dire oui ça c'est du parmesan et ça c'est de la mozzarella ça c'est du gruyère donc il y a plusieurs sortes de fromages. tu hein. connais euh, la première personne à <laughs> servir il s'appelle quoi et maintenant vous le servez à qui ce agliatelle tagliatelles au saumon messieurs Ouais, moi je le donne à tous les fans de Express, hein. de Djourbel à Dakar, donc à tous les staff du groupe, mm-hmm. Mamali, Galet, Petit, donc à tous les auditeurs et auditrices de, King FM. Quoi. <laughs> Oui. Ouais, il faut qu'on partage. Hein. Ouais, il faut qu'on partage. Alors, les filles, qu'est-ce que vous en pensez Tagliatelle au saumon c'est bon, donc du coup, je donne à personne. Ah. <laughs> non La Nafissa, la mer perdure. <laughs> Bintou Waouh, na torop King Family King FM Diko George ko King FM. d'accord ok bon ben c'est l'heure de dire au revoir il est 10h07 minutes. ouais mais Fatim il faut que aussi les Sénégalais savent que c'est pas seulement le riz comme aliment. Hein. oui bien sûr je suis totalement d'accord. ouais ouais on est désolé mais. Il y a beaucoup de choses qu'on peut manger. Mhm. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien sûr, beaucoup, beaucoup. Et en plus, on peut avoir les, on a déjà les ingrédients ici. Hein. Il suffit juste de faire preuve euh, d'originalité, de créativité et aussi de recherche. Comme je dis, Google is my friend. C'est-à-dire un jour, dans mhm. boy, jamaïcain quoi madame dem ci Google cuisine jamaïcaine wala recette de cuisine jamaïcaine nga qui euh, ingrédients yi sont que ingrédients tu les trouves au Sénégal ben tu te fais une recette comme ça es sénégalais ou es sénégalaise une recette jamaïcaine que tu as trouvée juste sur Google c'est mhm. tout et tu changes ton palais voilà tu tu vas dire ok voilà le goût est différent mais mais je sais qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ont peur de ragal. c'est vrai <laughs> <laughs> c'est vrai. c'est vrai c'est vrai. mais il faut découvrir hein, vraiment il y a beaucoup de plats et nous ici euh, dans la matinale on cuisine beaucoup différents plats on cuisine sénégalais on cuisine ivoirien on cuisine italien espagnol euh, jamaïcain burkinabé donc euh, voilà. Bah, faut vraiment hein. faut découvrir vraiment. Ah,